Quoi à chanter. Et j'espère que vous allez aimer cette chanson. Jeunesse d'Afrique, jeunesse panafricaniste, offert de l'ance de l'avenir. C'est aussi euh, l'occasion de les encourager, ces artistes qui chantent pour nous. Ouais. Réveille-toi, réveille-toi de ta somnolence. Mariam, <laughs> somnolée au bord du gouffre. Réveille-toi, réveille-toi de ta somnolence. Oli, on est bien réveillé à la fada. On est avec des jeunes qui sont hyper réveillés même. Ils sont hyper actifs on les suit sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on les a invités à la FADA. Yau a FADA muteo zami hira wannan labarun video da de da matasa suke aikawa bisa kan yanar gizo-gizo ko a ce Facebook sur la situation sécuritaire de notre pays. Aujourd'hui, on tombe sur tout et n'importe quoi. Des bilans des, morts, des différentes attaques aux commentaires sur les actions ou décisions du gouvernement. Wasu labarun sun fane ka, wasu kuma su tada maka hankali. <laughs> Thomas Shunaram ita dai wannan fadar ta yau, c'est la première fois da da ka dora ta a kohon gidanmu ina ne gidanmu studio kalango anan nan kwar Avec ce jeune activiste invité aujourd'hui à la FADA, nous verrons comment il communique sur la toile. Wani irin la ne ya kamata a in ma ce za yi, et eh, à quoi faut-il faire gaffe in kana so ka yi publier wata information ko ka samu wata vidéo menene kamata ka sa menene be kamata ba ka À cette FADA, nous sommes avec euh, Monsieur Kakatuda il est jeune activiste du G5 Sahel, également lanceur d'alerte, très actif sur les réseaux sociaux. Kaka, bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien Oui, ça va, je vais bien. Merci d'être là. Merci à vous également. Nous sommes également avec Youssouf Magaji. Il est communicateur et influenceur sur les réseaux sociaux. Monsieur Youssouf, ça va Oui, ça va très bien. Allah hello. To mun gode un mu. muna godiya. on a l'honneur d'accueillir le SG, le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens, M. Ider Algabid. Monsieur Ider, vous allez bien Bonjour, ça va. Ça va Ça va bien. Dans cette fois-là, nous aurons également un Vox Pop. Matassa la chronique de la FADA qui va nous édifier aujourd'hui sur. Aujourd'hui, on va parler des produits made in Niger, c'est ça Nous aurons également nos incontournables pauses musicales. Les attaques se multiplient avec des pertes lourdes pour toute la nation. kwanakin baya a ina inata da 71 suka rasa rayukansu. Et le 9 janvier passé, ce sont 89 soldats que nous avons perdus a Chine Godar, à la frontière malienne. Cikin wannan juyayin da tashin hankalin matasa da suna faɗin albarkacin bakinsu ko ku su aika wasu fotuna ko wasu video a bisa kan yanar gizo-gizo su Facebook da su WhatsApp karanta muku wasu misalan abubuwa da matasa suke aikawa ko suke rubutawa zan karanta muku su a yanzu. cikin facebook aika message ici je lis on parle de limogeage du chef d'état-major de l'armée de terre et de l'inspecteur général euh, des armées c'est ça bayan shi kuma urgent pension les djihadistes ont demandé aux populations china Godar de quitter demain mercredi 15 janvier 2020 yanzu kuma wani site 1 million de nigériens suka aiko tilwa région de Tiraberi, toutes les forces de défense ont quitté le camp de Walam quand on voit des choses comme ça, par exemple cette dernière information, Kaka, je reviens vers toi parce que tu es aussi lanceur d'alerte. D'abord, d'où vous trouvez ces informations que vous partagez sur les réseaux sociaux Merci beaucoup, euh, Rabi, pour l'invitation. Euh, on mesure quand même parce que si vous portez, vous, publiez certains messages. Si vous savez que vous n'avez pas la certitude de ces messages, c'est quand même ça porte aussi atteinte à vous. na godar an ba su wa'adi nan ranar laraba zuwa karfe goma sha biyu na rana su huta su bar garin ai wannan labarin ba wai wani labari bane ba ma wani abun source ba za a ce mutane ne suka taso 'yan shinagodor da kansu suka ta mutum delegation suka yi mutum hudu ko zuwa biyar suka zo suka same mu muna nan a nan kunja alternative ba ni kadai ba ne tunda ina da temoin abin da ake cema temoin mm. mun kai mu hudu ko biyar sai da suka ja mu suka ce mu gashi na abin da suke da na san alhali ko wannan abun

Euh, derrière qui est caché. C'est vraiment une information publique. C'est les gens qui se sont déplacés pour venir auprès de nous pour se plaindre. Ça, c'est déjà une piste sur vos sources parce que D'accord, donc merci Ravi d'abord mhm. euh, pour m'avoir euh, <clears throat> invité à la FADA. Merci d'être là. Moi, je dis mhm. qu'aujourd'hui, c'est une participation. les publications de, de, la jeunesse et même des Nigériens sur les réseaux sociaux de, autour des questions sécuritaires, c'est une participation aujourd'hui à ce qui peut être la gestion même de la question sécuritaire sécuritaire dans notre pays. aujourd'hui Aujourd'hui, eh, vous avez les avis. Moi, je pense qu'il faut prendre l'analyse sous des angles ici. Mhm. Eh, il y a des avis positifs, les avis de la jeunesse, une jeunesse éclairée. C'est une certaine opinion publique qui est agissante. Et mhm. moi, à mon avis, c'est une opinion publique qu'il faut prendre en compte dans ce qui peut être aujourd'hui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte tous ces avis. Beaucoup de choses qui sont balancées sur les réseaux sociaux. Qui Maintenant, Youssouf, je reviens vers toi. Toi, comment tu procèdes euh, est-ce qu'on peut avoir confiance en tout ce que Youssouf, la sagesse, poste Ok, euh, d'abord, pour ma part, euh, je mesure d'abord la véracité des, informations. Ok. Euh, étant communicant, mhm. je sais ce que vraiment euh, une fausse information peut faire. Donc, du coup, ni quand on voit ça la eh, kafofin watsa labaru da aka ci ma ou sosiyo mm. na san wadda suke ci yanzu akwai wanda yau da abu sur whatsapp automatiquement ya yi balance sans pour souvent on, on envoie des liens ana aiko liens wanda mutum bai ma shiga ya karanta ya ji abin yana kama hankali ko bai kama hankali <laughs> kawai he doka ya tura kama wata da aka ci agaras an yi ne <laughs> yawwa na gode c'était hallucinant <laughs> aka ce agaras an yi ne an yi wane ne pourtant c'est da aka diba véracité c'est des images il semble c'est des images de de de de, de l'Algérie de, de l'Algérie qui sont balancées et ce qui m'a le plus fait mal c'est un jeune acteur bon je vais taire son nom, c'est eh la, personne qui a balancé ça, c'est un jeune activiste que les jeunes suivent beaucoup. Ces derniers temps, nous voyons des vidéos, des messages faisant état des attaques terroristes surtout que les jeunes diffusent sur les réseaux ces genres de vidéos n'encouragent pas nos éléments de défense et de sécurité. Au contraire, ça renforce même les terroristes.

je suis tout à fait d'accord et je comprends vraiment leur colère et leur indignation. Mais en fait, d'où est-ce que c'est parti Parce que, à ce que je sache, par exemple, je vais prendre juste l'exemple de, la dernière attaque. Je, sais que le carré des martyrs, c'est vraiment un espace hyper sécurisé. Mais qui, a, qui est la première personne à prendre ces vidéos et à diffuser C'est ça aussi la question. Mais si déjà, je comprends vraiment leur inquiétude. diyawa akwai wayanda dama ba 'yan tashin hankali ne ba zama lahiya ba suke so kenan za su dauko su sa bidiyo abin da ma bai wakana abin da ya faru a can kasar mali ko burkina faso ma sai a dauko a ce nan niger ya faru kan in dawo ga invite kina a wannan fadar ta muna da wasu matasa kuma suke nan tare da mu in akwai wani da yake so ya bada ra'ayin shi bisa kan wannan abin da ya ji ilfiyar ya jira donc on vous écoute ya kake ganin eh, wannan mutum gaskiya ta wani bangare mhm. suna da gaskiya ils ont raison pourquoi parce que aujourd'hui les réseaux sociaux sont bourré de fausses informations. Kena y a kamata mutane su diba yau wannan duniya ta yana gizo duniya ce wadda le tourist da gouvernement kowa cikin kwanketa yake Et surtout le touristes tunda wanda ya samu duniya na ya samu yaki to bari yanzu in dawo gare ka idar Oui, Rabbi, je, je, vous remercie. Moi, je trouve que c'est des réactions euh, tout à fait naturelles et compréhensives parce que aujourd'hui, c'est des gens qui ont donné leurs avis par rapport à, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, par rapport à ces vidéos. Je pense que ces, images ne font plaisir à personne. Il n'y a personne qui peut tirer du plaisir en voyant euh, un, de, ses, frères. en train d'être dans des situations difficiles. Ça, je trouve que c'est des réactions ordinaires. Mais moi, je voulais juste pencher ou bien me pencher sur ce qui peut être aujourd'hui l'apport de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux par rapport effectivement à la démarche elle-même ou à la marche de notre, de notre pays. Mhm. Mais aujourd'hui, même l'accès, vous prenez certains pays, l'accès aux réseaux sociaux il y a des conditions à remplir pour pouvoir avoir accès à ces réseaux. Et qui élabore aujourd'hui ces politiques Qui l'accès à WhatsApp et Facebook au Niger qui sont les plus utilisés Aujourd'hui, cet accès-là, qui le contrôle qui les sécurise. je vous dis, il suffit d'avoir un Android, tout le monde en a accès. Alors que dans certains pays, il faut remplir un certain nombre de conditions. Bah- tu mets tes, références. Je pense qu'il y, a un désordre au fait. Euh, vous voyez, donc ces vidéos résultent parce que vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien, qui est dans un village, mais qui a quoi ça, qui trouve une vidéo, il, la balance, lui, il n'a rien à foutre. Et pour que tout cela, pour que l'ordre revienne dans ce monde des réseaux mhm. sociaux, mhm. il faut que l'accès à l'Internet, même l'accès à certaines applications soit contrôlé.

ra'ayinku ka kuma ce lambar mu ta WhatsApp 806884 kun san wannan shirin muna yin shi muna shakata ne yanzu on va encore retourner avec euh, Jeunesse d'Afrique de Fatima Rico zuwa la fada inda muke hira tare da matasan namu sj kinmu na usn da kakatuda da yusuf Lasages.

shugabannin sun ba da shugabannin kasar namu sun ba da bilankin su officiel bayan atakin shinagodar suka ce 25 morts 25 morts si blessés go to selon les autorités et le lendemain un autre bilan de 89 morts a fait le tour des réseaux sociaux partagé cette fois-ci par des jeunes Allah hadi da ta huce su kuma wa'annan shugabannin suka dawo suka ƙara gyara wannan bilankin nasu suka ce to finalement 89 on comprend pas justement c'est c'est c'est c'est ça le problème c'est ça le problème eh. c'est C'est ce que j'avais commencé à dire. Quand vous ne donnez pas l'information officielle, l'information vérifiée et vérifiable, donc vous ouvrez la voie. Bude de za ku kowa ye ye. riba da aka yi wannan attack shi na gwanon nan cikin gidan radio television na kasa muka ga wani soji ya zo ya karanta takarda ya ce ai gwamnati bayan attack an gani mutum 25 ne suka lokacin ma da suke zancen 25 in mm. kuna tune RFI zancen 31 suke muna nan washe garin sai muka fara gani a cikin rezo sosiyo ya yi ba ma 25 ba ne ba ma a eu beaucoup de va et vient et à notre grande surprise et c'est que très choquant et le gouvernement était revenu pour donner les chiffres de l'année. Donc, quand le gouvernement ne communique pas officiellement, quand vous voulez, vous avez des intentions de cacher des informations, c'est normal que vous ouvrez la voie à, de, à des racontages. Chacun va raconter sa vie. Et il y a des informations à ne pas partager parce qu'il s'agit quand même de, la défense de la nation. gwagwarmayan da muke dan kasar Niger ta wadata ne babu wani abu shi yasa samu kwanciyar hankali idar to ni zaka ga mu na kan wannan tour de magic zance les avis aujourd'hui, l'opinion publique, parce que moi je parle ici de, l'opinion publique, les avis des gens, Rabi, Moi je pense qu'il faut prendre ça en compte. Il y a des gens qu'il faut prendre au sérieux et qui peuvent être informés plus que certaines, certaines personnes qui sont perchées aujourd'hui dans les rangs du pouvoir. Donc il faut prendre ces avis en compte parce que c'est des avis éclairés. Il faut prendre ces informations en compte afin de voir comment contrecarrer rapidement. Moi, à mon humble avis, je pense que <laughs> Pour moi, il ne, ils, jamais cette, vérité-là. Ça, c'est mon avis. Sinon, je ne vois pas l'intérêt, après 3, 2 3 jours, après une attaque, que des informations soient vraiment euh, superposées. Je ne vois pas cet intérêt-là. Du coup, il y a kamata, kamata réseaux sociaux, kamata il y a il ben, mhm. a gouvernement mm, a tous ceux qui nous écoutent grâce à nos 41 radios partenaires dans tout le pays, grâce à Facebook, grâce au site web, grâce à notre site web. Vous pouvez réagir sur ces émissions des jeunes en envoyant vos réactions et vos questions sur notre numéro WhatsApp 80 06 88 54. Yanzu, ingénieur. Hein. Cette fois-ci, on va écouter Bouche B de Smarty. C'est aussi une chanson, je dirais, qui parle aux jeunes, aux jeunes africains, qui parle aux jeunes activistes, qui parle aux jeunes euh, panafricains. commence par la qualité de savoir se donner. Une conduite selon ce qu'on dénonçait hier, des ébullitions qui se prononcèrent dans nos prières. Ils étaient un, la veille dans l'écho, fit bouger les masses comme face à ces séco. Jeunesse au point endurci par les mots, Entendu le chaos dans la savane de Yamoussoukro, mais le fou voit le bouclier se percer, depuis que les loups marchent en rang dispersé. À trop fêter la joie de s'être vengé, l'on oublie très vite qu'un berger reste un berger qu'est-ce qui change Si face au bâton, les fesses du mouton ont gardé la même position. Hum, plus rien ne sera comme avant. En un an, on veut que le CNT fasse plus que 27 ans. La politique est comme un suppositoire. Quand on n'y connaît rien, on reste bouche bée. Donc, au risque de te faire avoir, tu gardes ton et ta bouche bien fermée. Conseil national de la transition. Attention car à trop jouer le Père Noël, on voudra tous arracher des cadeaux réalité du pays réel. Si la victoire est la force, qu'on a relevé le faible dans la défaite, c'est que le fort qu'on a défait hier assume son échec et n'a pas honte de baisser la tête. Le fort d'hier devrait faire profil bas. L'histoire est un feu du statut qu'on n'avorte pas. Et le vainqueur devra garder en mémoire que le boucher peut finir le mouton de l'abattoir. C'est le silence à l'hémicycle depuis que les shérifs voient des dans le même cycle d'un honorable honoraire salarial. J'ai ouï dire que la masse à partager était colossale. C'est la rue au moindre battement de style entre dictat militaire et la logique des sociétés civiles. Et quand échappe de nos mains les cornes du taureau, on finit exilé sous la protection de notre moronaba. La politique est comme un suppositoire. Quand on n'y connaît rien, on reste bouche bée au risque de te faire avoir du carton et ta bouche bien fermée. Conseil national de la transition, attention car à trop jouer le Père Noël, on voudra tous arracher des cadeaux, oubliant la réalité du pays réel. Les calculs devenus art mathématique, d'une thématique où tout le monde se voit président de la République. Manipulation, trahison et coup bas, d'un bal poussière où le politique refait son John la jeunesse est-elle atteinte d'amnésie Juste à la recherche du nouveau berger, aux nouvelles poésies. À trop ignorer le lampillon du danger, l'on oublie très vite qu'un berger reste un berger. Retour euh, à la fada. Inda muke nan tare da matasan namu inda nan ga hira bisa kan dukkan abin da da wani fotuna da wani video da suke aikawa bisa kan yanar gizo-gizo a wannan fadar muna tare da Idar Algab SJ King USN Yusuf sagesse Muna tare da kaka Tuda. Nous sommes ici avec nos jeunes

Bon, Kaka, on commence par toi déjà. tu dis clairement. Je dis clairement, c'est hein, le mhm. moi, mhm. ça participe vraiment dans le cadre de la gestion globale de la cité. Tout ce qu'on fait, pour nous, nous essayons d'apporter notre contribution. muna da incin mu shiga siyasan da muke yau in ina so na daga yau na ce na fasa na shiga tarayya na shiga MNSD na shiga Lumana na shiga Jamhuriya ai ra'ayi na ne ko ba <laughs> ko ba haka bane kenan ba wannan wallahi abu guda ne kasan nan banmu da wata kasa ita Nijar kinan ita ce namu sai peyi kenan in ta jaru na mu duka ne in ta lalace mu duka ne tunda in ta lalace ba wai shugabanni kadai tana yi abin mu da har da mu sauran yan bayan duka zai ta da shi yasa kenan muna intention kin mu mhm. c'est la seule intention c'est de participer vraiment c'est de contribuer à partager les informations avec les populations et c'est la seule intention derrière ça on n'a pas d'autre intention cachée mais tout ce qui va se passer aujourd'hui il y a souvent de rétention rétentions d'informations. Donc il faut partager l'information. Peut-être qu'on contribue à notre manière. Merci Kaka. Ider, je reviens vers toi. Yanzo, bandamawa duka da yau an gama il est super actif. Yau ko basa kan aikin ah Ah, il est manipulé Forcément. C'est ces réactions de ceux-là qui pensent que les internautes sont manipulés, d'autres sont guidés. Moi, je continue à dire, faut faire la part des choses entre les internautes éclairés et l'autre pagaille. Il faut scinder euh, ces deux types d'internautes internautes. L'autre élément qui est capital dans cette situation mm -hmm. qu'il mhm. faut analyser, de la part des, des internautes quand même éclairés. Hausa, hausa. Ah, <laughs> quand c'est compliqué. Abun, abun, abun, abun jin daɗi na wannan masu hawara na gizo-gizo wanda mm. bai kamata a mance da shi ba. Sai ke yau da sai an c'est abin c'est sai enquête pour que ait sondage pour que a ji avin la jeunesse pour avin nigérien monte à abubuwa eh ben, eh, C'est des sujets communs de la société mais yo si par exemple l'état a une cellule na analyse de sélection c'est que les seront tout de suite ce qu'on pense c'est que les jeunes pensent <laughs> et ça dans les euh, réseaux sociaux c'est ma anti pour que y à un avis. Mhm. mais aujourd'hui leur avis est sur la toile donc ni c'est un outil pour toi voilà abun mais à quoi Internet aujourd'hui qui, qui, joue un rôle extrêmement important que rôle à un moment donné, il faut payer de l'argent. C'est combien compte mais c'est que ça les sujets communs. Mais yo, vous avez des analyses. Nous, on apprend sur les réseaux C'est une école. Ouais, ouais. Yo, sur beaucoup de sujets, vous allez voir des enseignants chercheurs qui disent leurs avis. C'est ce que abonne ce qui est Ça, mais aussi des sujets de société. Youssouf, nous avons Zan, Karawayan, Bissakan, Abanda.

media da sauransu wanda suke ba da na gaske don mu gudun mu ce muke ba da bisa kan wannan abin don eh, da yake kuma kamar wadda idare gai mhm. akwai waɗanda rashin aiki ne akwai ba su san abin da suke yi ba wanda duk suka samu sai su ta bisa ranar don a san bambanta nuwa da kabewa a san ka san irin wanda irin mutumin da zaka bi bisa kare zuciya ka san irin wanda mutumin wanda sai ka tun akwai labari wanda in ka karanta kai da kanka ka san in yana kama hankali ko baya kama hankali ko baya kama hankali ba parce que eh bai ba bayan dai wanga mutum da aka yi na shi na godar mm. sai bayan ma an binne an binne yawon namu an yi komi wata mu eh, ta ji labarin karin mijinta ya rasu oh. don a san irin il faut savoir et partager l'information réelle, en temps réel. bayan sati guda ka san cikin abin dan uwanka yake ba ah, wani shi sai az ko ya bace ne yoni da nake gani a tele kamar cikin filmomi yo da ba so sojan ba suke zuwa kohon ga su yi su danna a ce to mutum ne wannan mission ki kiyara su ko ba kuma ne ake anan wannan kuma ai film ne rabi wannan kuma ai film ne kuma a film din ma ba namu ne ba na bakakin in na dauka miki kamar example ne da na baki shi bayan sai mun an binne su ne aka ba su labari kamata ya duk lokacin da aka kwashe su za a kasu makabarta ya kamata tunda dai an sojawa ne yanzu dai abu kaɗan da nake so in kara a gulguje mhm, lokacin da aka yi taro na musamman na union african a nan mm. kuna ina tune eh, agence na iya Mm. mutane goma on a renforcé leur capacité il faisait en temps réel faire suivre au monde extérieur les propos tenus les discours tenus les extraits des discours tenus par comment les choses se passent pendant les deux jours qu'a duré en tout cas la session mais ça veut dire que même les autorités savent qu'à un moment, vraiment, il y a des moments où il faut travailler avec ces gens, il faut euh, qu'il participe vraiment dans la gestion globale. Donc vraiment, il ne faut pas voir seulement l'aspect négatif. C'est vrai, on est en période de guerre, comme on dit. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Mais je pense que de manière générale, aujourd'hui, il faut savoir que ce que font aussi les internautes, c'est vraiment euh, acceptable de okay. de vue. On va accueillir Olivier qui nous vient avec la chronique. Mais Olivier, attends, la chronique d'habitude, on l'applaudit. Aujourd'hui, on parle de la guerre, donc je pense que... <laughs> oui, on va parler de Made in Niger. Quel attrait pour le Made in Niger, c'est-à-dire les produits fabriqués au Niger mhm. Cette question, je me, la suis posée quand je suis tombée sur les résultats d'un sondage de l'Institut d'études d'opinion et marketing en France et à l'international qui s'appelle IFOP. Rabi, mhm. Dans une enquête qui a été menée auprès d'un échantillon de 1005 personnes du 2 au 3 janvier, il ressort ceci. 86% des citoyens français déclarent qu'ils seraient fiers de voir les athlètes porter des tenues d'un équipementier français lors des Jeux olympiques en 2024. Clairement, en France, les gens aiment consommer les produits locaux. Dans ce domaine précis, le sport. Maintenant, revenons au Niger. Ici, de nombreuses entreprises se sont concentrées sur des produits locaux. Devons-nous continuer alors à consommer des produits venus d'ailleurs quel serait l'impact si tous les habitants du Niger décidaient. de... Consommer local. Ouais, c'est la question que je me suis posée. En tout cas, sans doute, ce serait une véritable révolution économique. Je suis allé au magasin nigériel où j'ai rencontré des jeunes Niaméens auxquels mhm. j'ai posé la question suivante. Consommez-vous nigérien Si oui, depuis quand avez-vous commencé Et ça, c'était leur réponse. Oui, évidemment, je consomme nigérien. Alors, depuis quand vous avez commencé à consommer nigérien Depuis toujours. Dès que quand je suis au Niger, je consomme nigérien. Je préfère toujours consommer local que de consommer les produits importés. C'est un choix ou c'est une imposition Bon, quand j'étais très jeune, là, c'était une imposition des, des, parents, mais avec le temps, j'ai compris l'importance de consommer du local. Du coup, c'est devenu une habitude et là, je fais ça avec aisance. Nous devons consommer nigérien parce que pour favoriser euh, nos produits. Cela évitera à ce que nous passons aux produits euh, des autres pays. Ça fera en sorte que de favoriser notre alimentation, de manger bio et tout. Est-ce que vous-même, vous, avez l'habitude de manger des produits fabriqués au Niger Au début, non, sincèrement. J'évitais même. Mais maintenant que je suis imprégnée, ça m'a donné envie de manger. Et maintenant, je suis vraiment made in Niger. Et que pensent les jeunes entrepreneurs de cette initiative Consommons Nigérien S'ils sont pour la plupart contents, c'est-à-dire si la plupart se réjouissent, l'un des problèmes qu'ils rencontrent, c'est le refus de certains magasins de vente. J'ai rencontré Sami Ben, elle est entrepreneur. Elle explique la réticence de. Olivier, tu me permets, tu me permets parce qu'on a des invités ici. Mhm. S'ils consomment nigérien, SG. SG, <laughs> tu consommes SG, nigérien euh, Oui, moi je consomme nigérien. Comme quoi, par exemple, c'est quoi ton produit fétiche, ton produit phare que tu aimes d'ici euh, Moi, j'utilise beaucoup des. Vous prenez mes chaussures, la, majorité c'est fait par des Nigériens, des peaux nous au travail. Maroquinerie nigérienne, elle est. Euh, oui. Super. Hein. Et on a quelqu'un aussi par là. Sauf, tu me dis ils sont habillés déjà en wax. Exactement. J'aime beaucoup les pagnes. Je consomme surtout les, les pagnes comme, euh, comme, par exemple euh, le terra terra, comme on dit, euh, ah les saitangara, tout ça, je, je consomme. Et un grand consommateur, il s'y connaît. Pour, hein. les, pour, les, chaussures aussi, je, porte très fréquemment les balkas, communément. Oui, les chaussures en cuir d'ici. Exactement. Et dans le public, vous aimez consommer nigérien ou on préfère euh, Made in ailleurs. Évidemment, nous-mêmes, nous consommons nigérien. Parce que euh, nous-mêmes, nous nous, intéressons plus euh, au cuir. <coughs> Présentement, je porte euh, des chaussures Balka avec moi. Ouais. Et ma montre, elle est en cuir. Donc, je dirais que... Vous aimez bien le Made in Niger. Moi également, mais plus dans l'agroalimentaire. Super. Elle est gourmande, l'animatrice de la Comme ravi. Olivier, tu peux continuer, merci. C'était euh, juste une parenthèse. Ravi, comme uh-huh. toi, j'ai beaucoup d'attirance pour les produits alimentaires fabriqués ici au Niger. Et un problème dans les magasins, c'est difficile d'en avoir. Sami Ben est entrepreneur. Elle explique la réticence des responsables de certains magasins. La réticence de ces, grands fournisseurs, c'est d'abord euh, le manque de, confiance aux produits que les femmes fabriquent. Parce que généralement, on pense que tout ce qui est fabriqué au Niger n'est pas de bonne qualité. Et dans ce sens, nous incitons les femmes à aller plus vers la qualité que vers la quantité. Ces magasins n'acceptent pas aussi ces produits parce qu'il faut le reconnaître, c'est un peu cher par rapport aux produits qui sont importés parce que c'est des produits qui sont faits à la main, c'est des produits qui sont transformés par ces femmes à la sueur de leur front. Donc c'est normal que ces produits soient un tout petit peu plus chers que les produits normaux qui viennent euh, de l'extérieur, qui sont importés, qui sont quand même fabriqués en gros, qui sont industrialisés. La communication et l'information restent des éléments importants pour pousser les 22 millions de Nigériens. Et sur ce coup, les journalistes que nous sommes, nous avions une responsabilité. Au studio Kalangu, Mokhtar Hamadou s'intéresse à la question beaucoup de Nigériens pensent que, ou bien continuent à penser que euh, les produits euh, importés euh, d'Asie, d'Europe, d'autres parties du, monde sont les meilleures qualités. Alors, nous, à travers cette campagne, nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'amener nos compatriotes à comprendre, à savoir que les produits fabriqués ici localement sont des produits de très bonne qualité. Si le pouvoir n'est pas que politique, mais aussi économique, le patriotisme économique ne serait-il pas l'une des solutions pour les produits made in Niger ou bien les produits fabriqués au Niger, tout en oubliant que les, produits fabriqués au Niger sont fabriqués par nous, pour nous et pour les gens venus d'ailleurs. Bye bye, n'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Fada Kalango merci Olivier, merci pour cette fada édifiante. Euh, merci à nos invités qui étaient là. Tara dawa wa'annan matasan da mun gaita yau mun gane kuna iya shurare, kuna iya neman labaru bisa kan yanar gizo zo amma ku san wanda ba duka ba labarin da kuka gani ne gaskiya. Wa'annan matasan ba kowanne ne kamata a dauka a dunkule a jeho a shara ba kamar anda da suka kenan wasu zancan nasu a diba shi a shurare shi da kyau abinda suke nan Mun gode muku gobe za haɗu da abokin aiki na don da question des impacts de tout ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux et des mesures préventives ou répressives. Tout ce qui nous écoute grâce à nos 41 radios partenaires.